nous avons eu une expérience euh, très douloureuse en 2012, qu'après le coup d'État et effectivement des groupes armés terroristes ont envahi euh, plus de tiers du territoire national. Et cela a duré pendant dix mois et ça a plongé carrément le pays dans une incertitude totale. Aujourd'hui, nous craignons la même chose, sauf qu'à la différence de 2012, euh, je pense que le Mali bénéficie aujourd'hui de l'appui des forces internationales comme la MINUSMA et la Post et qui pourrait un peu euh, assurer les populations civiles. Sinon, que euh, par rapport à nos armées nationales, ça va être très très compliqué de gérer la situation sécuritaire du moment où à Gao aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer en moins de 5 10 km sans être euh, agressé, soit par des bandits armés, soit par des groupes armés terroristes. Il est encore très tôt pour savoir ce qui va se passer dans les tout prochains jours.